mercredi 6 décembre 2023. Chers auditeurs, bonjour et bienvenue dans votre émission Les Niger sur Kalangou. À la présentation, je suis Habiba Ahmed et à mes côtés, Mariamadi Côté technique, nous avons Seni Isaka et l'édition sera assurée par Fanta Shamsou. Bonjour Mariam, comment tu vas ce matin? La journée s'annonce bien, Habiba. Dis-moi qu'avons-nous pour nos auditeurs aujourd'hui Nous allons débuter par les flèches d'information comme d'habitude. Dans la rubrique hebdomadaire d'aujourd'hui, nous parlerons environnement et après interviendront d'autres rubriques qui ne sont plus à présenter les lotis, la culture linguistique, la page sport, sans oublier la musique nigérienne qui accompagne notre émission. Et ce n'est pas tout, nous recevons Madame Hadiza Salifou, elle est fondatrice du foyer Ibadouraman à Niamey. Chers auditeurs, installez-vous confortablement pour savourer notre programme. Top, c'est parti pour une heure d'information et de divertissement. Chers auditeurs, tout de suite les flèches d'information avec Nafissa Sirfo. Bonjour Nafissa. Bonjour Habiba, bonjour Mariam. Bonjour. à tous et bienvenue dans ce flash d'information. Les gouvernements de transition du Niger et du Mali ont annoncé hier dans un communiqué conjoint avoir procédé à la dénonciation de deux conventions signées avec la France en matière de coopération fiscale. Ils justifient cette décision, je cite, par l'attitude hostile persistante de la France contre les intérêts des, des deux États ainsi qu'à leur caractère déséquilibré qui engendre un important manque à gagner au Niger et au Mali. Dans une autre déclaration en date du 5 décembre publiée sur leur site, l'Union européenne regrette la décision prise par les autorités du Niger de dénoncer l'accord établissant la base juridique de déploiement de la mission européenne et Cap Sahel Niger et de la mission de coopération militaire et Dans le communiqué, l'Union européenne indique qu'elle en tirera les conséquences opérationnelles qui s'imposent. Enfin, les activités entrant dans le cadre de la célébration du Festival international d'Okin Iska Filengue ont été lancés hier à Niamey par les autorités sportives. Ce festival a pour objectif de contribuer à la promotion du développement social, économique et culturel des départements d'Abala, de Filengue et de Balayara. C'est la fin de ce flash d'information. Merci bien, Nafisa. Bonne journée. Merci à vous. Ok, je l'ai annoncé tantôt, notre invitée du jour est Madame Hadiza, fondatrice du foyer Ibad Rahman. Elle va nous présenter son foyer et ses activités. Un premier tour en musique avec le son de L'amour de ma vie de Ahmed Delta en featuring avec Amos Oudou et Sacha Roy. L'amour de ma vie, oh l'amour de ma vie. DJ Salty and the Big. Love of my life. Ahmed Delta, eh. Darren, Jaya karya ne ba hanya yau so ya kama ni ban shirya ba ko ta ina ya rike ni in ban auna ba yanzu ana nuna ni ban gane ba a bacci an da ni ban farka ba l'attention de nombreuses personnes avec son style de musique moderne. Les chanteurs résidents à Kano menés dans l'état du, du Delta, aussi du Nigeria et originaire du Niger. Actuellement, il est en tournée dans les régions du Niger. C'est incroyable à quel point ces fans sont si, si enthousiasmés par ses chansons. Ina kwana Malama Hadiza. Lahiya lau kun tashi lafiya. Lahiya lau Hadiza. Alhamdulillah. To Hadiza muna so mu sani ya ne ku samu ide kin yin wannan fuwaye na Ibadu Rahman. da farko dai ina gaida duka ma'aikata studio kalangu da masu mu gaba daya ina muku sallama irin ta islam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatahu Eh, kun tambaye ni yana na samu idikin buɗe ibadu rahman to masha Allah. rahman dai masha Allah ina da 18 ans, eh 98 na bude shi. Lokacin da na gama formation kina na salon de coiffure lokacin. ne idekin bude rahman ya shigo mini tare da abubuwa na gyare-gyaren kai da jiki da sauransu masha Allah. To yanzu ku dai ne kuka kirkira wannan ibadu rahman Shin kuna da ma'aikata? Masha Allah sosai nake da ma'aikata tunda tunda ma na bude shi na fara ne da Eh, salon de coiffure dans da makaranta ainsi de suite muka dawo sannu a hankali ina formen mata wani chadien wani gommage wani mhm. gyaran jiki haka haka muna yi muna ƙara ayyuka yana evoli sannu-sannu in na yi formen ki a memta in baki diplom kuma in ɗauke sannu a hankali sannu a hankali sai da ya fito daga salon de kwafir ibadu rahman ya koma fuwaye ibadu rahman wanda yau masha allahu fuwaye kin da a fara koyar da aiki tamkar masha allahu kai da kawo a garuruwa daban-daban na ƙasar ta niger kamar irin su agades tawa maradi zander Tilaberi Doso duka mun yi farme mun ko ina an yi farmen mata yau a fiye da mace dubu hudu da muka yi farme cikin Nijar kinga na Faye Ibada da Haman game da waɗanda suke zawa daga waje masha Allah kuma daga cikin waɗanda nake farme ciki na ke dokan ma'aikata na. To yanzu ku fada mana konkretement wani wani ayyuka kuke yi can? ayyukan da muke yi a fuwaye ibadu rahman ɗaya bayan ɗaya yana kai aiki hamsin da muke yi cikin fuwaye ibadu eh, to duk abun da ya danganci rayuwar mace muna aiki muna yin shi cikin fuwaye ibadu haman kamar irin cosmetic abun da ya shahi kayan kamshi da gyare-gyare na wanke jiki na gyaran jiki da kizin da wani eh, dumki ɗumki na hannu da na tela da su patisserie da wani gomashi da makaranta tunda komi za ka yi dole addinin ka shine a gaba akan koya ma mata yadda za su tsara rayuwarsu a musulunce kuma mukan ɗauko lokaci duka mukan tuno musu da cewa rayuwarsu na aure daban yake da rayuwar da suke yi a gidajen iyayensu akan zo musu da yadda za su zamna da mazajensu da yadda za su yi tarbiyyar 'ya'yansu kuma akan koya musu kwalliyan ɗaki yadda ke da kanki za ki gyara ɗakinki ki makanki tabulo wani po wani tafi na shinhudawa wani dara wani menene duka masha Allah idan yara kika samu bai kai sai kin je kin nemi wani ya kamu taimaka miki ba ke da kanki zaki dumka mu kanki idan na sanyi ne idan na tuwaye ne duka abubuwan da muke gaskiya ba na iya bazano su a haka kai <laughs> sai dai mu kwatanta insha Allah haka ne sunan kwayakin ku Ibadu Rahman me yasa ku zabi wannan sunan eh abu ne yasa na zabi sunan Ibadu Rahman lokacin ina tunda na huta daga CMD aka fi daniel kwal ban tsaya na yi karatu ba na je a wurin gwarawa ne na taina koyi aiki na na hannu wanda ba addini a ciki kamin in ida ma duka lokacin addini yana shigowa ya fara ba da ƙarfi sosai a garinmu kuma na gani babu inda ake iya ayi. a kawo eh, duk yawancin salon da ya kwafi gwarawa ne da wanda kirecin suke aikin gyaran jiki suke harkan kwalliya sai na yi sha'awar cewa yanzu addini yana ga karfi cikin kasanmu na niger kuma ya kamata a ce na zaɓi wani wuri wanda muke yi wanda mata musulmi za su iya zauwa da za su iya fudda gashinsu. su su kawo su gyara jikinsu ba tare da wani fargaba ba kuma inda ba a duk wani aiki na sabon Allah ba za a yi a wurin ba kenan wani sa mesh wani fosil wani fo'ongo duka abin da ya musulunci bai yarda da shi ban mayi shine na je na zaɓi na je wurin malami babban malami allah ya ji kanshi eh, abubakar saga ake ce mai katroven eh, na zo na ce mai ina so in buɗe wurin gyaran amare kwalliya da sauransu mai ina so a zaɓa mini suna addinin musulunci tun da ni gaskiya ban na yi abun da musulunci bai yarda da shi ba ya yi murna ya sa albarka ya yi addu'a hmm. ya zo ya zaɓa mini suna uku daga cikin sunaye uku gaskiya a yanzu na manta tun da yanzu shekara wajen 20 da wani abu mai ibadu rahman kinne ya shiga raina na ce mm. mishi tun ma ban yi wani dogon karatu na ce ya bani ma'ana ibadu rahman ya ce ga sunaye ne masu albarka masu amfani cikin kur'ani babban suna ne bayan allah masu eh, bauta ma allah bayan ƙasa na ceto wani suna na zaɓa kishi Poursuivons la consommation musicale sur cette émission, le Niger Circalango avec ses titres Espoir du groupe de rap Onessa. Yeah, de la vie, one code rituel, savoir où l'on vient, savoir où l'on va, c'est les de la vie. Le jour se lève, la nuit s'enchaîne, on se demande ce que sera notre lendemain. On évolue à part de torture, on se demande ce que sera. On se demande si on est sur le droit chemin. Le jour se lève, la nuit s'enchaîne. On se demande ce que sera notre lendemain. On évolue à part de temps, on se demande ce que sera. On se demande si on est sur le le jour se lève, je m'élève, comme les heures se relèvent. Assidu comme un élève, je tourne à ma nivelle. Mon avenir sur le parchemin, je me dois de le maintenir. Qui vivra verra la gloire de qui sera la nuit. Ma destinée, c'est ce que je vis, c'est ce que je modifie. Garde toujours espoir pour un meilleur lendemain. Lentement et sûrement, on plus la pas de torture. Ayant toujours peur de l'avenir, de l'inconnu. Demain, un autre jour, lève-toi, ta canne et the front, c'est ton jour, bless your song, give the higher night. Jesus is my love my cup in my God. For you for the night. Jour soleil, la nuit s'enchaîne. On se demande ce que sera notre lendemain. On évolue à part de torture, on se demande ce que sera. On se demande si on est sur le droit chemin. Le jour se lève, la nuit s'enchaîne. On se demande ce que sera notre lendemain. On évolue à pas de temps, on se demande ce que sera. On se demande si on est sur le droit chemin. Il se lève, on se lève, bouge ton on se lève avec lui. Pas de paresse, Celui qui quitte traîne, il le laisse. Jour et nuit s'enchaînent, maintenant faut que tu t'imposes. Pour un lendemain rose, il faut que tu te contrôles. Confessionne-toi une vie, une vie pleine de dévices. Conditionne-toi pour que tu fonctionnes comme une machine. Essaye de gagner ta vie dans le sens propre et clean. Quoi qu'ils disent, quoi qu'ils fassent, suis la voie juste et logique. Accepte tes critiques, quoi qu'ils disent qu'il passe. Héa, héa, héa, héa, et Le jour se lève, la nuit s'enchaîne. On se demande ce que sera notre lendemain. On évolue à pas de tortue, on se demande ce que sera. On se demande si on est sur le droit chemin. Le jour se lève, la nuit s'enchaîne. On se demande ce que sera notre lendemain. On évolue à part de temps, puis on se demande ce que sera. On se demande si on est sur le droit chemin. Hey, pense à point conseil, man. Jour et nuit s'enchaînent, la vie c'est une chaîne, man. Garde espoir pour ta destinée, baisse pas la quilote, man. À cœur voyant tout s'accomplit. Tiens! T'as pas le droit de te poser des questions sur ton sort. T'as pas le droit de te poser des questions sur ta conduite. Comme mieux te demander ce que sera ton lendemain. Composé des deux, deux, jeunes frères Roxine et Fredo, c'est deux l'un de deux artistiques le plus anciens au Niger qui évolue dans les styles R&B et Afrobeat. Nous disons bon vent au groupe Onessa. Que sera On se demande si on est sur le droit chemin. Le jour se lève, la nuit s'enchaîne. On se demande ce que sera notre lendemain. On évolue, y a pas de temps, on se demande ce que sera. On se demande si on est sur le droit chemin. Le jour se lève, la nuit s'enchaîne. On se demande ce que sera notre lendemain. On évolue à pas de tortue, on se demande ce que sera. On se demande si on est sur le droit chemin. Le jour se lève, la nuit s'enchaîne. On se demande ce que sera notre lendemain. On évolue à pas de tortue, on se demande ce que sera. On se demande si on est sur le droit chemin. qui vient de nous rejoindre, vous êtes à l'écoute de l'émission Le Niger sur Kalango. À présent, poursuivons nos échanges avec notre invitée, Madame Hadiza. Hadiza, kufa da mana kayan nan na amare da kuke gera da mi da mi aka yi su. Ah, to masha Allah duka abubuwan da muke aiki da su abubuwa ne wanda suke gina jiki wanda ake iya a ci su su amfani jiki kuma su ne muke aiki da su muke sarrafawa wurin gyaran fata na gyaran jiki waɗanda sun fito daga alkur'ani mai tsarki daga kuma bakin maza Allah sallallahu alaihi wasallama likitan likitoti wanda ya sanar da mutane abubuwan da ya kamata kenan duk yawancin prodikin da muke aiki da su prodi islamic ne wanda ake kwatanta ma mutane wanga idan kai amfani da shi ga aikin da yake idan kai amfani da shi da abubuwa na ci da na sha wanda suke gina jiki su ne kuma muke ɗoka ko muna aiki da su wurin sarrafa fata gyaran fata kuma masha Allah. Yau muna so mu sani Hadiza ku ne mai sunan shi fondatrice kin proje wanga foyer Ibad ko ya kuke eh. kuna jeran foyer da iyalinku. Masha Allah to kin san aiki an ce idan an ce aikin ka ne yau da gobe masha Allah shekara wajen tubarikalla yau kusan shekara 25 ko fiye da haka nan kana aiki duk yadda an kai experience kinka yana da yawa cikin shi yadda za ka yi ka tsara rayuwarka ka daidaita kuma aikinka yadda za ka ba kowa hakin shi ka ba mai gidanka hakin shi ka ba gidanka hakin shi ka ba iyalanka hakin shi ko ka ba aikinka hakin shi kenan tun tashin aikin nawa ma tun ta farkon safiya da na yi sallah masha Allah na yi abun da nake yi abun da na da abun da ya kamata in yi na san abun da ya kamata in yi har izuwa rana faduwa masha Allah kenan komi ina daidaitawa ne in tsara yadda kowane ba zan iya tauyewa daga cikin shi ba Masha Allah. To Hadiza kuna cin amfanin aikin gana ku na fuwaye ba da Sosai ma akwai amfanin da ya huce yau kaga wani yana zama zaman banza ba ta aikin komi ta zo ta koya kuma ka gani tana more rayuwarta. wasu suna yawon banza masha Allah sun zo yau sun samu abun da za su more rayuwarsu wayansu suna zaman banza wayansu kuma eh, mazajensu sun mutu ne suna da marayu za su zo su koyi aiki yau alhamdulillah sai dai wanda suka ba ba dai su je kuma su nemi wani ya taimaka musu ba sai wanda suka taimaka ma kuma akwai marayun da kanshi wa'anda muke doka wa'anda tubarikalla masha Allah wasu ana kamuna su ne wa'yansu mu da kanmu ne muke doka wanda yau kalla yara sun yi tsaye da kansu saura mu ɗauke su aiki saura kuma suna zuwa su buɗa mu kansu yau alhamdulillah dai nake cewa ba a cewa ba a umfani ba an umfani kuma wa'yansu sun umfani ta da kai. yau muna so gaya mana wani irin matsaloli ne ko fuskanta cikin wannan aikin gana ku da kuke cikin faye to gaskiya duk aiki ba ya rasa kalubale ba ya rasa matsala amma dai sai dai a ce alhamdulillah ala kulli hali duk abun da ya zo matsalan shi in ya zo dai an san yadda za a yi a daidaita insha Allah ba a rasa matsaloli ba wajen wani bi iyayen ɗiya su kawo yara an ce shekara guda ne wayansu da sun fara aiki sun samu ɗaya biyu uku sun ga sun umfana sai ki ga ba sa tsaya ba su amshi diplom sun ta yi lalle ku a gaba diplom kenan zai umfane ka tun da yau in aiki za a ɗauke ka a wani wuri ko proje ko abin da ya kamata dole sai kin ba da diplom wasu suna mai da hankalinsu wurin aiki waɗansu kuma suke dai sai a hankali wani bi uwayen ne ma basu kulawa da aikin yaran nasu sai daga baya kuma ki gani ana wani da na sani a ce a ah, kaza da kaza orke duk abun da zaka yi cikin duniya ne da za zaka amfani da shi dole ne ka sa soyayya aikin nan naka ka kuma ka dubi umfani shi wanda ka samu ka mai da hankali gare shi to hadiza mun gode sosai da kuka zo nan sai dai wata rana kuma mun kiraye ku na gode ne ma Parlons environnement. Mariam, hier 5 décembre, c'était la journée mondiale des sols, n'est-ce pas Le thème retenu est les sols et l'eau, source de vie, cette journée vise à sensibiliser les producteurs, les étudiants et les décideurs sur la nécessité de favoriser ces ressources naturelles. Docteur Adam Youssouf, chercheur de l'Institut national de la recherche agronomique du Niger, parle de l'importance du sol et de l'impact qu'il subit à cause de l'action humaine et du changement climatique. Il est au micro de Asman China. Un pays comme le Niger, si vous n'avez pas de sol de qualité, vous n'allez pas bien produire et vous n'allez pas quand même arriver à votre euh, autosuffisance alimentaire. Le sol, euh, c'est le support de tout. Vous voyez là où on est, c'est sous le sol. Les plantes vont se développer sur le sol. L'eau, c'est le sol. Tout passe par le sol. C'est-à-dire ce que vous avez sur l'assiette que vous mangez là, ce que vous mangez là, c'est le rendu du sol. Ça veut dire quoi Si vous avez un sol qui n'est pas de bonne santé, mais vous allez manger, vous avez l'impression que vous mangez quelque chose de bonne qualité, mais au fond peut-être que c'est, excusez-moi du terme, peut-être c'est de la pourriture que vous mangez. Donc connaître un sol va vous permettre d'avoir une bonne alimentation, non seulement en qualité et en quantité. Qu'est-ce qu'un sol en bonne santé et en gros, un, bol, un sol en bonne santé, c'est un sol qui n'est peut-être pas pollué, qui a quand même euh, un minimum d'éléments nutritifs qui puissent permettre quand même euh, le, développement de la plante et finalement une belle, une belle production. Quelle relation existe-t-il entre les sols et l'eau C'est des ressources qui sont liées. Vous ne pouvez pas parler souvent d'eau sans parler de sol parce que l'eau, vous allez trouver ça dans le sol. Et donc, ils sont liés. Et l'eau que la plante utilise, elle va l'utiliser parce qu'elle est sur un support qu'on appelle le sol. Donc, c'est deux phénomènes qui sont totalement liés. Et les éléments nutritifs que la plante pompe au niveau du sol elle va la pomper aussi par le biais quand même de l'eau. Donc euh, c'est deux ressources qui sont totalement liées et, on ne peut pas les dissocier. Donc d'où la, notion de gestion intégrée de l'eau et du sol. Quoi. qu'il faut-il faire pour bien conserver le sol c'est qu'il faut comprendre que dès au départ, par exemple, si vous voulez faire de l'agriculture, l'idéal serait d'abord que vous étudiez votre sol. C'est-à-dire qu'il faudrait étudier le sol et savoir, en fonction de l'information que vous avez sur le sol, quelle genre de culture d'abord vous pouvez mettre sur votre sol. Parce que c'est ce qui est important d'abord, souvent les cultures qu'on met sur le sol ne sont pas aptes au, sol. Donc il faut d'abord faire une étude, savoir quel est votre sol. C'est comme par exemple le, sang dans le corps humain. Quand un individu arrive par exemple au, niveau de, l'hôpital, le premier, on fait des prises de sang. On essaie de voir dans son sang ce qu'il a. S'il y a des petits soucis, on saura comment le corriger. Et chaque individu va reprendre en fonction des résultats qu'on a eus. Donc c'est comme ça, chaque sol, en fonction de sa qualité, de sa texture et de la façon dont le sol est, en fonction de ça, il y aura par exemple des corrections éventuelles à apporter, des amendements éventuels à apporter en fonction des cultures qu'on veut mettre. Quel peut être l'impact de la dégradation des sols sous l'action humaine L'impact ou les conséquences sont énormes. Hein. Ça dépend d'abord du type de dégradation. Vous avez même peut-être des dégradations qui sont irréversibles ou difficiles, difficiles à être corrigées. Mais bon, ça dépend de la façon dont il y a eu la dégradation, mais les dégradations sont énormes. Vous avez des pertes de, ressources. Vous savez, le sol, il vit. Donc dans le sol, vous avez des, de, la, de la vie, vous avez des vers de terre, vous avez pas mal de choses qui se passent dans le sol. Donc un sol qui n'est pas en bonne santé, par exemple, vous allez voir quand vous venez au niveau du sol, même cette vie dont je parle, vous n'allez pas la trouver dans le sol. Donc ça dépend du genre de dégradation qu'il y a eu. Donc en fonction du genre de dégradation, les, dégâts peuvent être, euh, peuvent être énormes. Mais il faudra tout faire pour qu'on ne puisse pas arriver à un niveau irréversible. Par exemple, maintenant, quand vous vous circulez dans la ville de Niamey, le phénomène qui nous frappe beaucoup, moi, quand je vois dans la ceinture verte, c'est une ceinture que je connaissais étant, étant gosse, je connaissais très bien une ceinture verte, mais aujourd'hui, cette ceinture est totalement polluée par les déchets plastiques. Or, le plastique, on sait, et, le temps que ça prend pour se dégrader. Tous ces plastiques que vous voyez, un plastique dans le sol, c'est autour de 500 ans peut être dégradé. Et ce plastique va jouer sur la rétention en eau, ça va jouer sur la qualité de ce sol. Donc je me demande quel effort il faut faire pour arriver à restaurer ce paysage qui n'était pas avant pollué par ces plastiques. Ça, ce n'est qu'un exemple que je vous donne, qu'on vit autour de la ville de Niamey. C'est des choses qu'on voit très bien. Nous sommes dans un contexte de changement climatique. Quel est l'impact de ces phénomènes sur le sol Bon, et ce changement climatique, euh, c'est clair qu'il y a des impacts. Par exemple, vous, avez remarqué, il y a des pertes énormes de superficie de sol qu'on fait liées, par exemple, à des phénomènes euh, d'inondation et de départ massive de la euh, partie superficielle du sol. Vous avez des ruissellements importants. Donc, si le sol est fragile, comme nos sols qui sont relativement quand même assez sableux et fragiles. Donc quand vous avez des ruissellements, vous avez des pertes énormes. Si vous vous promenez un peu aux alentours de Niamey, vous allez voir de plus en plus des coris qui prennent naissance et qui prennent en volume et vous avez des ravinements très importants et souvent vous avez des pertes de superficie importante du sol qu'on peut utiliser pour l'agriculture. Vous avez par exemple un exemple palpable et le courri qui est dans la zone de, de, là si vous voyez un peu vers le nouveau goudron qu'on a fait qui sort de l'hôpital de référence, qui coupe pour aller dans Lazaret vous avez un gros courri qui, ma foi, il y a 10 ans n'était pas comme ça qui a pris de l'ampleur et qui a commencé à attaquer même les habitants. Donc ça va quand même, c'est l'une des conséquences aussi du changement climatique. Les conséquences, il y en a, y en a beaucoup. On ne peut pas tout citer, mais quand même, hein, c'est l'une des conséquences. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé l'environnement et le changement climatique, le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens. Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Chers auditeurs et auditrices, c'est notre tour en musique avec le son La légende des relevés de Hakim et King en featuring avec Fenobi. Hein. pour changer de vie, il faut savoir changer ses priorités. maintenant le Kim, la légende de vérité. C'est ces deux générations sur le même son. Les gens des relèves armés sur le même front. C'est une continuité, ça reste le même plan Même si le temps est révolu, ça reste le même plan. Ces deux générations sur le même son. Les gens des relèves armés sur le même front. C'est une continuité, ça reste le même plan Même si le temps est révolu, ça reste le même plan. Le temps n'est pas révolu, les mentalités sont dévolues. Les valeurs et les mérites, ici on les dévalue. Le box est résolu pour commettre la bévue. Le rap était mieux quand c'était le mouvement. Le game est arrivé avec sa haine résolument. La persévérance a materné mon époque. Pas de beat à télécharger, pas de home, c'est pas d'échanger. Pas de WhatsApp, pas d'Insta, pas de Facebook, pas de merde. À mon époque, il n'y avait pas TikTok. <laughs> Je sors et je reviens. Eh, la prudence consolide les succès. Mais la présomption les détruit, tu sais. Ma génération a construit ce mouvement avec une passion forte sur les bases fortes. Ces deux générations sur le même son, ah. les et te relèvent armés sur le même front. C'est une continuité, ça reste le même clan. Même si le temps est révolu, ça reste le même plan. Ces deux générations sur le même son. Les gens et relèves armés sur le même front. C'est une continuité, ça reste le même clan. Même si le temps est révolu, ça reste le même plan. Depuis mon bas âge, j'oublierai pas vos passages. Sans télé ni réseau, mais les aînés faisaient du carnage. Je me rappelle de Tchakei, je me rappelle de KG, de Joroji, de LK je me souviens de Waswong Ils avaient plus de crédibilité que nous, plus de flow que nous. Leur époque était meilleure que notre. Y avait beaucoup de concerts, énormément de posters. C'était le beau coup le rappeur agit avec son faussaire. Alors qu'à notre époque, chacun insulte la mère de chacun. Chacun se moque de chacun, l'opinion publique est choquée. Tu sais, moi, je suis pas pressé. Et ouais, à qui m'est précis. Je pose avec le président, et j'ai une putain de nostalgie. Je suis la relève, et non c'est la légende. La connexion est bonne, bah ouais, parce que le beat est méchant. Je vais tout tracer, je vais marquer mon passage. Mon astral les annales, et ça au fil des années. Ces deux générations sur le même son. Légende et relève armés sur le même fond C'est une continuité, ça reste le même clan. Même si le temps est révolu, ça reste le même plan. Ces deux générations sur le même son. Légende et relève armés sur le même fond C'est une continuité, ça reste le même clan. Même si le temps est révolu, ça reste le même plan. Passons à l'écho des régions et direction Ngigmi, région de DIFA, pour parler d'une pratique qui permet aux femmes d'épargner de l'argent. Oui, Haïba, pour subvenir à leurs besoins, les femmes de Ngigmi se forment en groupement pour faire du foendi ou tontine et aussi du petit commerce. Des activités qui, selon elles, contribuent à leur autonomisation financière et la lutte contre la pauvreté. Madame Koubria Haruna, présidente du groupement féminin Mongani de Ngigmi, est au micro de main Abdullahi. Ni dai president ce ta matan mun gane sunana kuburya haruna. Kaman ku nawa ne kuke cikin ita wannan kungiya ta mun gane? Kungiyar mu ta mun gane gurfeman hudu ne amma kashi mutum 25 da biyar biyar ne mutum ɗari ne da mutum hudu a sama. Hmm. Mutum hudu wannan ɗaiɗaya ne suka roƙi alhurma he muka dora sa yanzu mu ɗari da ne. To kamar ya tsarin ita wannan kungiya ta ku take ne? Tsarin kungiyar mu kamar bisa kan aikin da muke yi tsarin ta sati ne muke yi juma. juma'a juma'a a nan gidan sarki mai manda muna yin mai muna zubin kes na fendi kuma muna fendi muna zuba ishirin ishirin wani yana zuba ɗari ɗari sefa kuma muna adashen dara muna ta sulbobi to kamar yanzu idan aka tara waɗannan kuɗaɗe na fendi misali mi da mi ake yi da su to na fendi muna zuba dubu dubu naira dubu kusan sattin hemu mu raba mace biyu kuma ishirin ishirin da ɗari ɗari wani in muka tara muna siyan dabbobi mu ma mace biyu duk sati kamar mi haka yake ainihi raba ma mata dabbobi din to muna so dai mu yaƙi talauci don mu samu ci gaba cikin kasar mu da garin mu gegime yanzu akalla mata nawa ne suka samu dabbobi din mun ba mace talatin da uku wannan satin tsakani da Allah mun ci gaba da abu mu gane ba a yanzu kuma mun gane kenan mun samu ci gaba tunda a yanzu haka mutane suna so su shigo muka ce musu ban mu matsala mu kowa a buɗe take kamar in baki na aiki yana tsayawa ina da mataimakiyata ko satin nan biyu da ya wuce ban na nan ma sun kiraye tambaye ni a wadda aka ba kuɗi na ce a bata kamar mata suna son wannan tsari da kuke na wannan kungiya ta ku wallahi suna so tunda da yawa suna cewa abun mu yana tahiya gwanin kyau muna burge su tunda mu duk sati ne sai mun haɗa ana a kin taɓo mana batu na yin mai da kuma kuli-kuli da sauransu kaman kuna samun ku huda kasuwa ko ku a cikin ku kuke sayan abu to a nan cikin akwai masu sana'a kuma mu ma muna siye a nan ana zawa muna sarawa kuma muna saidawa shi ma kuɗin kenan idan aka saida cikin keskin ake zuba ku eh kuɗin mu cikin kes ne tunda shi wannan jari daban ne cikin kes muke sa shi to menene matsalolin ku ne a gaskiya yanzu ban mu da matsala matsaloli babu tunda yanzu dai tsakanin namu ba babu matsala ko kaɗan Mine ne kuke bukata a matsayin tallafi don ganin aikin naku ya ci gaba da kasancewa to gaskiya in son samu ne muna so a kara mu jari mu kara karhin gwiwa tunda yanzu da namu ne muke daidaita a dai muke yi rihin asiri ne amma muna so a kara tallaba mu mu jari to kamar ɗazu kin yi batu na akwai mata da suke ɗaukan bashi a cikin kesken kamar nawa ne kuke ƙayyade ga baiwa mata bashi kuma idan aka ba da yaushe ake maidowa to yanzu muka ba mata Le studio Kalangu est un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne, la coopération allemande et l'Union européenne. À présent, la page sport avec Adam Sariou. Bonjour Adam. Bonjour Mariam. Bonjour Abiba. Bonjour Adam. Alors Adam, dis-nous quel est... Débutons cette page sport avec la Super League de football du Niger. Je savais que tu allais arriver. Eh bien, la troisième journée a tenu toutes ses promesses avec des matchs très disputés. Demain débutera la quatrième journée entre l'Union sportive de la Gendarmerie nationale contre le Zongorzo Football Club de Maradi. Adam, quel est le classement provisoire avant le début de cette quatrième journée Eh bien, à la fin de la troisième journée, l'association sportive des forces armées nigériennes reste en tête avec 9 points sur 9 possibles. Derrière, trois clubs occupent la deuxième place de ce championnat, à savoir l'AS Nigelec, l'Urana FC d'Arlit, Renaissance Football Club de Niamey avec 7 points chacun. En bas de tableau, la Kokana FC d'Arlit, Espoir FC des Enders et Zongorzo Football Club de Maradi se trouvent avec 0 points au compteur. Alors, Adam, parlons à présent des éliminatoires de la CAN féminine 2024 qui a pris fin hier mardi 5 décembre. Eh bien, on connaît désormais les 11 pays qui se rendront au Maroc, pays organisateur pour cette 15e édition de la CAN féminine. Le tenant du titre, l'Afrique du Sud, sera de la partie, ainsi que la République démocratique du Congo qui revient 24 ans après sa dernière Cannes. Les 11 pays qualifiés sont le Maroc, on le rappelle, pays organisateur, l'Afrique du Sud, l'Algérie, le Botswana, le Ghana, le Mali, la République démocratique du Congo, le Sénégal, la Tanzanie, la Tunisie, la Zambie et le Nigeria. Adam, prenons la direction des DIFA où une femme a organisé un tournoi de football de mise en jambe pour jeunes de DIFA. Eh bien oui, pour les jeunes de DIFA. Du 3 novembre au 3 décembre 2023, Haja Gaptia a organisé ce tournoi. Pour elle, l'objectif est de faciliter la détection des jeunes talents par les équipes engagées dans les différentes compétitions nationales. On l'écoute, elle est au micro de notre correspondant de DIFA, Mani Moussa. mun yi ta ne saboda kamar a jihar mu akwai yara wanda suke balo diya mai kamar ba a ganin su yanzu wannan turnuwan da aka nan akwai kulob manya-manya a cikin wannan yaran za su ga in akwai yaran da za su so su ɗauka don su musu lisans ya haɗa ekip takwas inda kowane ekip ya yi maci uku uku musamman ma akwai wasa masu kyau-kyau da aka yi wanda mutane ba su yi tsammani za a yi shi gaskiya an yi wasa mai kyau difa akwai 'yan wasa da yawa ba babu ba musamman yara matasa masu tasowa wanda suka iya wasa diya akwai su kenan hukumomi abin da za su kama mana sauran kasashen da suke da sauran jihohi da suke da 'yan wasa diya ma ba himu ba su kai mu namu ba a kama ba ne ba yanzu wani gari suna da kulab waje nawa manya diya diya mu nan biyu ne kadai gare mu to musamman saboda shi ne mu ni na yi tunani za mu zo mu yi wannan turnuwan mutane sun yi tsammanin ba ya yi resir ba ni mace ce ba ya yi ba mai gashi na mun yi kayan mu layi lau Alors, félicitations Haja Gaptia et chers auditeurs, sur la fin de cette chronique. À demain pour un autre numéro. Merci Adam, à la prochaine fois. <laughs> Alors, Haïba, nous qui est honoré dans la rubrique Portrait du jour. Salamatou Abdou est une veuve, mère de cinq enfants. Elle est âgée de 40 ans et native de Dinganzi Banda dans le département de Walam. Cela fait trois ans qu'elle est à Elle travaille pour prendre en charge ses enfants orphelins. À ses débuts, elle faisait le tour de la ville pour faire la lessive et avoir un peu d'argent. Maintenant, elle est devenue femme de ménage dans une famille. Voici son portrait avec Oumou Oumoru. so kopta banda igo ginyum kwaraya wodi banda igo te lumbatu sogo ete andugo pono ni nola kal wala bin fahama ikan nan ne tunimne na wodi yan suban o zanke ibabore no sino wakanse igo dirgo ina gi gi jare ah. to songo kandigote ni baygidi sande goyo wora wal matnu o tan fo yan egidu sande wala oh, to ifo <laughs> sande kandidu sande tan ke yero tan fo yan war sudu noru tan fo yan sanda ke go kandi kanyama ifo sintinda wala ko sintinda kofta siga asiga yo inna ngai go te lumbat lumbuto banda ay go fur kwara di di nyuma oi di banda so go te handugo to so handugo kan go tira ni go ma akani o ai go ma to so din du noro kan go du handugo din ifo ni te noro ai de zan se bankare de ngware ifugticenkanniga mm. teni cala waybarisi oh, baruyangi ne ngesi ngesi kwegwe aginim kwegwe la gore wo sobori gore sindi nafa bo am so wegi dir gwa bisense gore gwo kanni ni tini gwo hingin zan kai gayi tan fo yamo no rosto gide ise bankare asi toge mudare fere kai gwo gru dai gwe asi toge mudare te zamzan kai bankare ikoi lokal ibangwari norostogi mudare iri kute bakanigogwe handugwe asige ngindi kufuri kwararaga oh, bakago tandugo asige nje ikko kwaraya egidi kufuri kwaraya ginyum bakago handugo yoga uidi siga nje ikko gisobe ginyuma barfoyansi tokandigogwe wonimambaigudu problem di almiale ewela igudu sandeita foya alay ala la tɩ fo yãng y bãnkaarã rõg gao bũndaye dɩ me wãare dɩ ni ko ni zai bu boda a wai mbo wane hmm? kan di go goy te gazan kai wajaran da ni kunya buyan banda ni no go gatangam gati te handu goy gudu gi jerni sinu kan ga din seno ala bora kan gi di de no sin di bi fo so de no go gatangam gi gi ngwaende ngono tegisi ni man dubu fami wor kan ne si fo sakan ga handu goy te mam dubu kan bay gatan se wada sen wala yi ci ay sa may gi ne te handu goy zama shi fayre zan kai imhare

notre tour en musique. Cette fois-ci, je vous propose le titre Toubégué de l'artiste RC Baba. Elle sait pas mal naviguer. Mariam, c'est l'heure du loti. Oui, à les lotis d'aujourd'hui, les femmes du studio Kalangu pointent du doigt les risques à garder un puits ouvert dans une concession. C'est dans une discussion entre Samira Rouafi et Rekia Arimi. Affairage, bouge pas, hein. Mais où est-ce qu'elle est mise J'espère qu'elle n'est pas encore en train de dormir. Ramo Ramo Ramo Hé Allah, qui m'appelle comme ça à l'air là Ah bah que fais-tu dans la chambre pendant que ton enfant est à l'arrière de la cour tout seul Il a manqué de peu de tomber dans le puits. Quoi Subhanallah Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Habibou Habibou, où est-il Arrête de crier, il est juste là. Oui, mon Dieu Dieu merci oh. Dieu seul sait ce qui allait se passer si je n'avais pas intervenu à temps. Je l'ai trouvé près du puits. Il tentait de rattraper son ballon qu'il a jeté par-dessus. Il aurait pu tomber dedans. Et vous n'en saurez rien. Et vous n'en saurez rien. Mon Dieu. J'allais perdre mon bébé. Et comment est-ce que j'allais expliquer cela à son père Pour cette fois-ci, ça va. Il a eu de la chance. Mais Ramou, je n'arrive pas à comprendre comment peux-tu laisser un petit enfant comme Habibou jouer tout seul dans la cour alors que tu sais que le puits n'est pas fermé. C'est un danger permanent que vous avez là. Écoute ma copine, il était allongé juste à côté de moi avant que le sommeil ne m'emporte. Nous faisons la sieste ensemble. D'ailleurs, si ce n'est pas aujourd'hui, il n'est jamais allé là-bas. Et en parlant du puits, chaque jour que Dieu fait, j'attire l'attention du boy de fermer le puits quand il finit d'arroser les plantes. Je n'en disconviens pas. Mais tu dois redoubler de vigilance et t'occuper personnellement de ce fameux puits, et bien fermer après chaque usage. D'ailleurs même, pourquoi garder un puits alors que vous êtes connecté au réseau de distribution d'eau hmm. C'est mon mari, Wallahi. Quand je lui parle de les supprimer, il avance qu'il a un projet de forage qu'il compte implanter sur le puits. C'est une bonne chose, mais avant demande-lui de consulter un spécialiste, car il y a des normes à respecter. Mais en attendant, essaie de protéger le puits mettre une grille ou une plaque de sécurité par-dessus pour protéger l'ouvrage et par la même occasion les enfants. En effet, il a déjà pris attache avec eux. Ah là, c'est bien. Mais tu dois tout de même bien surveiller le petit avant la finalisation du forage. T'inquiète, ma copine. J'y veillerai personnellement. D'ailleurs, regarde, j'ai même oublié ce qui m'a amené chez toi, tellement je suis emportée par la situation de cet enfant. Mais c'est normal, non hmm. Et merci En tout cas, merci d'être là, ma chérie. partie offert par les desk femmes du studio Kalangu. Chers auditeurs, et notre tour en musique avec euh, le titre Amino Bere de Kaidangaskia. Gaskia. Il est temps de cogiter et de bâtir le savoir à partir des connaissances des disciples. Yeah, man. Yeah, ce sont les pour les enseignants. so. quelques messages vocaux envoyés par les auditeurs du studio Kalangu. awa sunana mahmud anan nake Bernamaradi, birnin maradi na nan kasar mata na jamhuriyar nijar ra'ayina akan radio studio kalangu eh, shine akan shirye-shiryensu kan shirin ra'ayin nan na tattauna na muhawarori da ake yi wannan yana nishadantar da ni kuma ana faɗin abin da ƙasa take bukata da yawancin al'umma wanda suke bukata na samun yanci da sauran kwanciyar hankali da nishaɗi ba tare da bata lokaci ba na gode allah ya tsari allah ya sa alkhairi allah to gaskiya yana gaida shugaban mu jagora wanda muke sa ran tsakani da allah yake yi a matsayin shi na mai kishin ƙasa president Chani. Sunan malamin Yahuza mai turare a garin Maradi. Gaskiya studio Kalangu gaskiya na birge mu. Kamar yanayin tambayoyin da ake ma jama'a kuma da sauran ƙarin ilimi ne a mutane kuma haka ɗin ci gaban ƙasa ne. abu ne wanda ya riga zamana idan aka haɓaka kowa da kowa zai amfani shi shiri-shiri da suke yi muna jin daɗin su saboda kullum ana kawo wasu tarifi ma wannan abubuwa da wanda sun zuma da wasu rahin wanda aka gaya mai muna jin daɗin su alhamdulillah a to muna gani duk masu sauraron su dai kalangu eh haka ne sunana sabiu ibrahim garin maraɗin nake eh, ni sana'a ta kasuwar turare nake yi eh, gaskiya shirurrukan su mu dai muna jin daɗin shi bakin gwalgwado gaskiya shirin su yana samu nishaɗi da jin daɗi da abubuwan da suke yi masu ƙayatarwa bakin gwalgwado gaskiya muna jin daɗi akwai kane na yahuza kuma akwai yana yahuza da malam isaka ina gaida malam hamus shi ma dai mai turaren wuta da kuma 'yan rediyo kalangu ga baki ɗayan su ba sai da wani ba ina gaida su ga baki ɗaya sunana jamila sharkiya na kasance ma'abuciyar saurara duk wasu abubuwan da studio kalangu suke zartaswa sosai muna jin daɗi akan irin gudunmuwa da suke badawa musamman ma ta fannin tarbiyya musamman ma ta jan hankalin matasa da kuma su kan iyayen yara da kuma shirye-shirye daban-daban wanda suke yi wajen waye kayunan al'umma wajen kuma ƙara haɗa kan matasa gaskiya studio kalangu sosai da sosai tana yi mana abubuwa daban-daban wanda muke jin daɗin shirin. kuma muna bibiye da su sosai da sosai na fito daga cikin kungiya ta masu kira da saurare na afirka reshen da magaram kuma bugu da kari na kasance shugaba ce ta association de jeunes pour la lutte contre les chômage a jlc gurin zuciya to a gaskiya studio kalangu suna ba mu gudunmuwa musamman ma kira ga matasa wajen su shahirce su ma su zama nagari ingantattu sosai studio kalangu duk sun dafa mana gaskiya muna jin daɗin shirin ko muna bibiyar su a koda yaushe kina dai birge ni sai take min sai dukai ne nawa sallo ni kai dariya ni kai mulmushi ni kai dadi zai kashe ni zai kashe ni zai kashe ni dadi zai kashe ni ta fatuma jose fatuma ne ya anzola fatuma ne ya ya fatuma ne so fatuma Nia, fatuma dara fatuma anna fatuma tawa Pour prend fin notre émission de ce mercredi 6 décembre 2023. Vous étiez accompagné de Mariam Adé et Habiba Ahmed. La technique était assurée par Seni Isaka et à l'édition, c'était Fanta Shamsou. Passez une excellente journée.